auditeurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre émission Le Niger c'est Kalangou. Vous êtes en compagnie de Mariam Ade et moi-même Habiba Ahmed. À la régie, la technique est assurée par Mustapha Ayouba et à l'édition, nous avions Adam Adawaki. Bonjour Mariam, tout est fin prêt pour notre émission Bien sûr Habiba, fais-nous découvrir le programme du jour. Le Niger sur Kalangou, c'est de l'information, de l'éducation, des reportages à région et des portraits. Pour ce qui est de l'invité du jour, il s'agit de Brema Adamu Noma. Il est délégué de la Fédération nigérienne des jeux d'échecs au Niger. Suivez également dans cette émission notre playlist à 100% locale ainsi que la page sport. Restez branchés sur les zones de nos radios partenaires et c'est parti pour une heure de balade et de divertissement. de suite, euh, voici le Flash Info présenté par Nafissa Surfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Habiba. Bonjour Mariam. Bonjour Nafissa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, a ordonné mardi le départ de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Madame Louise Aubin. Cette décision du gouvernement s'explique, je cite, par le fait que le secrétariat général des Nations Unies et contrarié la participation pleine et entière du Niger aux différentes séquences des réunions de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le CNSP demande ainsi à Madame Louise Aubin de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter Niamey sous 72 heures. La journaliste et blogueuse Samira Sabou a bénéficié hier d'une liberté provisoire, une décision du juge d'instruction près du tribunal de grande instance de Niamey. Pour rappel, elle a été interpellée le 30 septembre dernier et mise à la disposition de la justice de la police judiciaire le 7 octobre. Les raisons de son interpellation ne sont pas encore connues. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Enfin, le Niger célèbre ce jeudi 12 octobre 2023 la journée mondiale de la vue. Le thème retenu cette année est Aimez vos yeux au travail. Cette journée a pour but d'aider les personnes à comprendre l'importance de protéger leur vue sur le lieu de leur travail et d'appeler les chefs d'entreprise à donner la priorité à la santé oculaire des travailleurs partout dans le monde. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafisa, à la prochaine fois. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que notre invité du jour est délégué de la Fédération nigérienne des jeux d'échecs, Burema Adamunoma Noma. Monsieur Noma, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avant de vous donner la parole, je vous invite à écouter avec nous le premier titre de notre sélection d'aujourd'hui. Il s'agit du morceau Isaharo de la diva Fatima Rico qui veut dire en français l'eau du fleuve. Le titre Issa Haro est un morceau qui ne manque pas d'énergie et de caractère. La voix unique et puissante de la diva Fatih Mariko nous amène dans un voyage musical riche en émotions. Sa performance vocale est pleine d'assurance, démontrant sa maîtrise artistique. Exactement, Habiba, et dans ce titre qui parle du fleuve Niger, des bienfaits de cette richesse que la nature nous a offert. Mais malheureusement, le fleuve Niger est menacé par l'assemblement ces dernières années. studio avec euh, notre Borema Adamounuma, délégué de la Fédération nigérienne des jeux d'échecs. Bonjour Borema. Bonjour Madame Arriva. Alors, euh, quel type euh, de jeux sont les échecs Les échecs ce sont des jeux de société, de combinaison, hein, combinatoire alors, qui se jouent entre deux personnes sur un plateau appelé échiquier, avec des pièces mhm. de part et d'autre, de couleur noire et blanche et qui se déplace selon les règles du jeu. Mhm. Le, jeu a un, règlement au niveau international qui très brièvement fait en sorte que les pièces qui sont devant, qu'on appelle les soldats, mhm. euh, se déplacent devant eux d'une seule case ou mhm. peuvent, se déplacer de deux cases quand il s'agit du premier déplacement uniquement une seule fois dans le jeu et des autres qui sont derrière, qui sont des officiers, qui ne peuvent pas sauter euh, euh, euh, au cours du jeu. Il n'y a qu'un seul officier qui peut sauter. C'est le chevalier ici qu'on appelle le cavalier. Vous le voyez, c'est un cheval monté, donc c'est un cavalier. Quand on monte là, il se déplace en aile en sautant deux cases et se pose soit à gauche ou à droite de son point de départ. Et vous avez autour de ce roi une femme une dame, donc qui mhm. s'appelle la reine. Et de part et d'autre, vous avez un fou. Pourquoi cette appellation Parce que c'est un jeu qui a été eh, créé pour divertir les rois. Mhm. Donc l'historique eh, eh, montre que le roi a toujours besoin d'un entourage autour de lui. Et c'est cet entourage qui est une tour ici, un cavalier, mhm. un fou. Donc le roi lui-même et sa dame. Donc les règles de déplacement sont euh, éditées par en tout cas le, livre des, arbitres. C'est un règlement très très très très vaste de plus de 500 pages, mais qui ne sont pas difficiles en tout cas, qui n'est pas difficile à, assimiler. Voilà. Alors, on a créé une fédération, mais est-ce que vous avez beaucoup d'adeptes euh, Oui, nous avons beaucoup d'adeptes aujourd'hui, même au plan international, nous avons une cinquantaine de, licences, ce qu'on appelle euh, dans notre jargon des ID, donc des, des, des identifiants de la Fédération internationale des échecs. Et nous avons également d'autres personnes qui ne sont pas encore enregistrées, mais qui sont sur, euh, euh, en tout cas en voie de le faire. Et nous, nous, recensons une centaine de, joueurs aujourd'hui. est-ce que les Nigériens s'intéressent à ce jeu de stratégie euh, bien sûr que les Nigériens s'intéressent, même si euh, au départ il a été un jeu de la entre griffes de la bourgeoisie. Aujourd'hui, il est, sorti. En tout cas, il est joué ici à Niamey et dans toutes les régions du, du, Niger. Et les gens s'y intéressent euh, peu à peu. Monsieur Bourema, dites-nous quelle est l'importance du jeu d'échecs car certains disent que c'est une perte de temps. Pas du tout. Le jeu d'échecs est tout sauf une perte de temps. Parce que c'est un jeu qui développe la concentration de par son historique. C'est un jeu qui développe euh, l'analyse. C'est un jeu qui développe l'esprit euh, euh, de, d'anticipation, de, la résilience. Et c'est un jeu qui permet la prise de décision. C'est pourquoi vous voyez ici, on parle de jeu combinatoire. C'est-à-dire que vous allez prendre des décisions au fur et à mesure que vous progressez parce que votre objectif, c'est de capturer le, le roi ennemi. Mhm. Donc pour arriver là, sur un plateau de 64 euh, carreaux, vous allez faire beaucoup de combinaisons. Et en faisant ces combinaisons, la mémoire travaille, le cerveau travaille et la vision travaille. Il s'agit d'une stratégie et donc qui développe alors le, le, le quotient intellectuel de, euh, du joueur. Je peux reposer une question Bien sûr. Donc les blancs, c'est les gentils, les noirs, c'est les méchants. Il n'y a pas de méchants ni de gentils, c'est deux équipes. OK. Tout simplement, vous avez des noirs ou des cases sombres, des cases euh, claires ou des cases euh, blanches. Donc c'est universellement accepté que ce soit appelé des blancs et des noirs, mhm. mais vous pouvez les trouver dans d'autres couleurs, mais dans tous les cas, c'est des blancs et des noirs. Ce n'est pas pour faire euh, un peu de, de du racisme, il n'y a rien de cela parce que le jeu même est né chez les Noirs en Inde. Donc il n'y a pas de, raison que l'on puisse qualifier les Noirs des Noirs ou des Blancs des Blancs. Non, c'est juste. Alors, Burema, quelles sont les grandes nations du jeu d'échecs Les grandes nations des échecs aujourd'hui, on peut parler de la Russie qui, à elle seule, a plus de 211 grands mètres. Et après la Russie, euh, on peut citer l'Inde, les États-Unis, et aujourd'hui, euh, Norvège est là parce que c'est le, champion du monde et norvégien actuellement. D'accord. Alors, quelle est la place du Niger en Afrique euh, La place du Niger est une place euh, de novice. Nous venons de, mettre en place la, la, fédération et elle est déjà affiliée à la fédération internationale et à l'ACC qui est et bien sûr la, la, la, Confédération africaine pour le jeu d'échecs. Donc le démembrement continental de la Fédération internationale. Le Niger est membre. Le Niger est également membre de euh, l'association la, de, de francophone des échecs. Donc la francophonie des échecs, nous y sommes membres et nous avons des voix comme les autres pays. quelles sont les activités que la fédération organise La fédération organise deux types euh, d'activités. La première euh, activité, elle est, sur, elle est en ligne. Nous avons un compte sur Lichess. Ceux qui se connaissent se, euh, savent, lichess.org. Nous organisons des tournois chaque semaine là-dessus. Donc nous jouons en ligne. Le jeu se fait également en ligne. Et nous jouons en présentiel également. Auparavant au CCFN, un peu à l'oxygène, mais maintenant euh, dans notre siège ici à la, à la francophonie, à la Villa 113. Nous organisons des parties libres pour jouer et apprendre le jeu aux autres. Y a-t-il un tournoi en cours Ah, bien sûr. Nous avons un tournoi national en cours en, en décembre. Plaise à Dieu, nous allons tenir notre tournoi national euh, au titre de l'année 2023. Avant de continuer, une petite pause musicale s'impose avec le titre Alibio du célèbre orchestre Étoile des Angos, un groupe qui a fait vibrer les mélomanes des chansons traditionnelles. Eh oui, dans cette chanson, il parle d'un homme craint et apprécié surtout par les jeunes filles du village. On vous laisse kiffer. somebody. vous êtes sur l'émission Les Niger sur Kalangou que vous suivez à travers les zones de notre radio partenaire. Alors, Abourema, dites-nous, avez-vous aimé cette musique Oui, bien sûr, j'ai beaucoup aimé. C'est une musique que, j'ai vécue et je l'aime beaucoup. <laughs> D'accord, alors continuons notre entretien. Dites-nous, quelle est la tranche d'âge la plus intéressée par les jeux d'échecs euh, Disons, euh, toutes les tranches d'âge. Mais le, euh, à l'international, il est admis que ça commence à partir de 4 ans. Donc de 4 ans jusqu'à 80-90, euh, vous avez même des centenaires qui jouent aux échecs. Donc le, jeu n'a pas spécifiquement d'âge pour euh, le commencer ou pour le jouer. Alors, à qui finance les jeux d'échecs Avez-vous des partenaires partenaires, nous n'en avons pas. C'est la logique parce que c'est un jeu qui demande beaucoup, mais nous nous euh, débrouillons, comme on le dit, avec les cotisations des membres et euh, le financement de la Fédération internationale des jeux d'échecs à travers le Fonds de développement des jeux d'échecs qu'on appelle PDC, euh, qui finance la fédération en tout cas depuis deux ans à hauteur de 500 000 euros. Donc c'est pour l'instant, nous, notre fédération, c'est seulement avec cela que nous nous débrouillons et avec le mécénat également, de part et d'autre, des expatriés qui sont très intéressés par le jeu et qui veulent le développer ici. Euh, au Niger qui financent également euh, quelques parties, quelques rencontres. Mais c'est là même l'occasion que vous m'offrez pour vraiment faire appel aux partenaires. C'est un jeu de société, c'est un jeu que, aujourd'hui qui est en train de faire son bonhomme de chemin parce qu'ailleurs, en Europe, en Asie et aux États-Unis, c'est un jeu qui est, d'ailleurs euh, inclus dans le curricula scolaire. Donc ici même, nous rêvons de cela pour ne pas être en reste avec le, le monde. Et euh, en cela, nous appelons en tout cas les, partenaires, surtout euh, ceux qui œuvrent dans le domaine de développement des enfants, l'UNICEF, pour ne pas appeler directement, et autres partenaires en tout cas, pour pouvoir développer ce jeu au niveau de, la plus petite euh, tranche d'âge, surtout au niveau des enfants scolaires. Est-ce que le Niger a une fois participé à des tournois internationaux Si oui, il a occupé quelle place euh, la fédération est officiellement créée le 21 septembre 2021. Déjà en, septembre 2022, nous avons participé aux, Olympiades à Chennai avec une équipe euh, euh, d'hommes, au PIN, parce que nous n'avons pas encore une équipe féminine au Niger. <laughs> C'est l'occasion pour moi de vous inviter à vous intéresser pour constituer une équipe féminine au Niger. Et nous avons fait vraiment de, d'exploits, de, parce que c'est la première fois que nous avons euh, pris part à une Olympiade. C'est un jeu euh, très convoité par euh, beaucoup d'experts, beaucoup d'enseignants, chercheurs, beaucoup d'ingénieurs, etc. Nous n'étions pas derniers, mais nous n'étions pas aussi premiers. Et nous sommes revenus avec quelques victoires, 4 à 5 victoires. Comme vous l'aviez dit, Brema, comment apprendre le jeu d'échecs pour un nouveau joueur pour un nouveau joueur aujourd'hui au Niger, nous, allons, euh, nous avons développé deux stratégies. La première stratégie, c'est les rencontres euh, présentielles. Au niveau de notre siège, nous recevons les gens, nous les formons au jeu d'échecs et nous avons des formateurs qui peuvent également euh, faire le déplacement pour les, sociétés. Nous avons conçu ce programme et les sociétés peuvent faire appel à nos formateurs. Ils sont beaucoup disponibles. Ils peuvent également apprendre le jeu à travers les smartphones. Parce que à travers euh, euh, la pandémie COVID-2019, beaucoup d'applications ont été euh, développées et aujourd'hui c'est téléchargeable sur le, Play Store avec le module lichess.com ou le, le, chess tout simplement. Donc c'est un jeu qui s'est fait aujourd'hui vraiment en ligne. Vous avez pas moins de 4000 à 6000 joueurs en ligne chaque minute. Un dernier mot pour nos auditeurs, vraiment. Euh, le, mon dernier mot, c'est d'inviter vraiment la jeunesse nigérienne à s'intéresser à ce jeu pour pouvoir euh, développer les esprits de, résilience, aujourd'hui c'est le mot, euh, de la concentration et surtout de prise de décision. Hmm. Nous en avons besoin et nous appelons vraiment la jeunesse à s'intéresser à ce jeu et à, le de, à, développer cela au niveau de notre société pour pouvoir euh, aller vers un changement de mentalité, pour pouvoir incrister en nous vraiment un esprit de patriotisme que le Niger a besoin aujourd'hui. D'accord. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos activités. C'est moi qui vous remercie pour euh, l'occasion que vous m'offrez de parler de ce jeu aujourd'hui. Merci à vous tous et à vous tous. À bientôt. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Nous sommes avec Ousmane Mahmoud, notre responsable d'IDESCA numérique. Faisons un tour dans le monde de la technologie. Il va nous parler de la mise à jour des applications mobiles. Bonjour Ousmane. Bonjour Abiba. Alors, dis-nous tout. Pourquoi est-il si crucial de maintenir nos applications mobiles à jour Alors oui, aujourd'hui, on va parler des mises à jour euh, de nos téléphones euh, Android euh, ou, des iPhones. Mhm. Donc les mises à jour d'applications sont essentielles pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles vont venir corriger euh, des problèmes de vulnérabilité, de sécurité. Donc, ce qui va permettre euh, au téléphone euh, d'être moins susceptible de piratage. Ensuite, elles vont venir améliorer la performance en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en assurant la compatibilité avec les dernières versions du système d'exploitation. Quels sont les risques si les utilisateurs ne mettent pas à jour leurs applications régulièrement Alors, les risques, je l'ai déjà aborder euh, abordé tantôt, donc c'est vraiment les failles de sécurité, les risques de piratage, mais ne pas aussi euh, mettre euh, vos applications à jour peut entraîner des problèmes de compatibilité avec une mauvaise performance. Ça veut dire que si vous avez un nouveau téléphone, le fait de ne pas le mettre à jour, même s'il est ancien, peut faire en sorte qu'il soit moins performant. Il peut se décharger vite certaines applications peuvent ne pas, être, euh, ne pas fonctionner correctement, comme WhatsApp par exemple, qui fait régulièrement des mises à jour. Il se peut que vous loupez certaines euh, options ou certaines euh, fonctionnalités que cette application va offrir du fait qu'elle n'est pas à jour. Et à côté de ça aussi, certains experts en sécurité le disent, pour vraiment éviter, en plus des mises à jour, il faut éteindre son téléphone au moins cinq fois par jour. Ça, euh, au moins, je ne dis pas cinq fois par jour, mais au moins pendant cinq minutes tous les jours. Donc cela, en fait, va est euh, efficace contre euh, certaines attaques informatiques de type hameçonnage ou bien les failles qu'on appelle les, les, les, failles zéro clic. il y a quelques années encore, je me rappelle qu'il y a eu l'affaire Pegasus donc qui, était, qui était un logiciel développé, je pense, par une boîte israélienne, et donc qui vous pouvez rentrer dans votre téléphone sans que vous ayez cliqué sur quelque chose, que ce soit une image, etc. Donc ça a largement fait scandale, mais là, beaucoup d'experts disent que le fait d'éteindre son téléphone cinq minutes par jour peut potentiellement vous éviter ces, aléas. Alors, à quel conseil peux-tu donner à nos auditeurs pour maintenir les, leurs applications à jour Alors, il faut activer d'abord les mises à jour euh, de façon automatique dans les paramètres du téléphone. Donc cela va garantir euh, que vos applications soient mises à jour dès que euh, de, nouvelles versions sont disponibles. Et il faut également éviter de télécharger des applications à partir de, à partir de sources non fiables, c'est-à-dire tous les magasins d'applications alternatives comme APK Pure, comme Aptoid ou APK Mirror parce que euh, ces, magasins-là peuvent, contenir des logiciels malveillants. Beaucoup de personnes, par exemple, qui utilisent la version GB de WhatsApp mhm. ne la téléchargent pas depuis le Play Store ou bien l'App Store. Ils vont partir sur des sites alternatifs. Souvent, c'est dans des forums Telegram un peu douteux pour télécharger la dernière version, alors que ça, ça peut vous exposer à des problématiques. Cela va consommer beaucoup de données mobiles, je suppose. Oui, bon, évidemment, c'est un peu ça le petit hic chez nous, surtout comme la data coûte un peu cher. Euh, les mises à jour en général, sont un peu lourdes. Minimum, certaines, euh, c'est 300 mégas pour les mises à jour principales. Euh, du, du, système d'exploitation, mais bon, pour les applications tierces type WhatsApp, Facebook, souvent c'est moins de 10-15 mégas. Mais si ce sont les mises à jour principales, évidemment, il faut prévoir beaucoup de data, il faut prévoir, euh, programmer de les lancer un peu tard dans la nuit quand vous n'utilisez pas votre téléphone. Donc, euh, en général, la nuit, la connexion est euh, un peu plus rapide parce que tout le monde dort. Donc, c'est des petites astuces comme ça qui vont vous permettre de les installer de façon optimale. Ou tout simplement de dire à votre téléphone de télécharger les mises à jour uniquement quand il est sur Wi-Fi. Ça, bon, en général, par défaut, c'est, je pense, le réglage euh, par défaut de quasiment tous les téléphones qui vont télécharger les mises à jour principales, c'est-à-dire la dernière version d'Android ou certaines mises à jour euh, correctives de sécurité un peu lourdes qui vont directement les télécharger via le Wi-Fi. Alors Ousmane, comment les mises à jour d'applications peuvent-elles affecter la vie privée des utilisateurs Alors les mises à jour d'applications peuvent inclure des correctifs euh, en matière de confidentialité importants. Donc, euh, en négligeant ces mises à jour, vous pouvez exposer vos données personnelles à des risques. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas votre téléphone euh, à jour correctement, ben, vos données personnelles risquent de se retrouver un peu partout. Ça peut être vos photos personnelles, les photos de vos enfants, ça peut être des messages privés, etc., etc. Ça peut aussi être euh, des documents PDF, etc., ou des données bancaires. Et de plus, les applications peuvent améliorer leur politique de confidentialité et de collecte de données dans la nouvelle version, ce qui donne aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leur vie privée. Donc, les applications, de façon générale, se mettent à jour constamment en fonction de l'évolution de l'actualité dans certains pays. Et il se peut que euh, l'application principale que vous, vous utilisez tous les jours a ajouté euh, un verrou supplémentaire en matière de protection de la vie euh, privé de votre confidentialité, mais que vous, vous n'avez pas parce que vous n'avez pas mis votre application à jour. Merci beaucoup Ousmane pour ces informations essentielles sur les mises à jour d'application. Alors c'est tout pour cette euh, chronique. Euh, on se dit à la semaine prochaine. Excellent Merci Ousmane. <laughs> Poursuivons en musique avec les titres Espoir du groupe de rap Onex. la savoir où l'on vient, savoir où l'on va, c'est les de la vie. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne, on se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne, on se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, je m'élève, comme les heures se relèvent. Assidu comme un élève, je tourne à ma nivelle. Mon avenir sur le parchemin, je me dois de le maintenir. Qui vivra verra la gloire de qui sera la nuit. Ma destinée, c'est ce que je vis, c'est ce que je modifie. Garde toujours espoir pour un meilleur lendemain. Lentement et sûrement, on ne pas de torture ayant toujours peur de l'avenir, de l'inconnu. Demain un autre jour, lève toi ta canne et marche devant toi, c'est ton jour. Tie ta bless your song, give the higher night. But Jesus is my Lord, my God in my God. For you que venir un jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à part de temps on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. On se la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de temps, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Il se lève, on se lève, bouge ton coutard, on se lève avec lui. Pas de paresse, celui qui traîne, il le laisse. Jour et nuit s'enchaînent, maintenant faut que tu t'imposes. Pour un lendemain morose, il faut que tu te contrôles. Confessionne-toi une vie, une vie pleine de défauts. Conditionne-toi pour que tu fonctionnes comme une machine. Essaye de gagner ta vie dans le sens propre et clean. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent suis la voie juste et logique. Accepte les critiques, quoi qu'ils disent. Hey, ah, quoi qu'ils fassent hey, ah, hey, ah, hey, Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la vie s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Hey, pour ça point conseil, man. Jour et nuit s'enchaîne, la vie c'est une chaîne, man. Garde espoir pour ta destinée, baisse pas la culotte, man à cœur voyant tout s'accomplir. T'as pas le droit de te poser des questions sur ton sort. T'as pas le droit de te poser des questions sur ta conduite. Quand plus te demander ce que sera ton lendemain. Ne baisse pas la culotte, ta tout ça complet. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de torture, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de torture, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Place à la rubrique côte des régions. Nous partons à Tilaburi. Depuis quelques années, les pays de la zone des trois frontières, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, font face à une crise sécuritaire. Ce problème impacte négativement la vie des communautés avec la fermeture des écoles, la limitation des déplacements des personnes et de leurs biens entre Terra au Niger et Djori au Burkina Faso. À ce fait, un conducteur de camions, les Ali, parle des difficultés qu'il rencontre sur leur trajet entre Terra et Djori. Il est au micro de Moussa Bukarikanda. Écoutons. sene se kala me se sule ali mayo ki be gum bo sul gang ne be gum uh-huh. il faut tar tarangoyo transport mutu biyar na se tera dori ingani rigite hunkuna lakkal tunai alwa il faut giti lahano kan lakal tunawo kande aran wana goyo fondara wallahi lakal tunawo agono iro wo kirgo gidi fondara uh-huh. mantaba jadise iro coupeur de route ngenerga hamburu jadise wo isi borfuye isi ni fondara mote wo mota bere wo mota kene wo dindi gayi kun fu borfu dani gogu ceci ali man dinge bora igine bore musobe amma coupeur de route inge no zanke kosare zame wo girbande di ne zanke kosare ni kom zam coupeur de route no dinin fuye iman naga nuru inangil kar amma kware kulgana mhm. kware kul si fondara mhm. kuna hannu bangi bisa fono nisi dibor kul tanga setange kadda setange iro ta shankalo kayar gogu dida zan zambar gogu zuru kubaran gogu zuru kuna halbor fatin kwara nisi bai ni jaje nisi bai nisi jaje kan nim koy din kan kwaran gnon ni gine hay zam ku perdo ruteno ke fon nan to zombi borkar an kan gon min yimin fuye mata daga dinne sin da in borkar ta shan bora kul gano ayo wotu shef man ti shofar man ti commerçant man civil man ta soge man ta bora kul da irwon yak fo sine kai borai kan yan siga kaga habon wa so hun kun tera ngwaro sandi borai din hali go ka dogonai bora kul gudu dogonai ta shankalo kadai irko ma san ba ma kayar mu irko mi binai yamar irko mi nan borakul mutenya fo babu fo iro kirgo ciki da no ifo dabari karango sombu gudu garango te sandaw ne o kolara dabaro de no fatiyangai ni mila sabu hal bor mati ne bore woyi go fondara madagge ego solution kan edino Fidèles auditeurs, là, je vous invite à suivre la page sport avec Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Abiba. Débutons cette page du sport avec un mot sur les events de l'équipe nationale féminine du Niger qui va entamer le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine de football. Eh bien oui, Mariam, l'équipe nationale féminine de football du Niger reçoit ici même au stade général Sénécounte de Niamey les U20 de la République euh, guinéenne. Alors, euh, le premier match se jouera aujourd'hui même à 16h30 au stade général Sénécounté et le, et le match retour le 15 octobre à 16h30, toujours au stade général Adam, restons toujours en football. Aujourd'hui aura lieu le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 à Abidjan qui débutera du 13 janvier au 11 février 2024. Eh bien oui, sachez que c'est à 20h heure de Niamey. La cérémonie débutera à 20h ici même eh, au Niger. Le comité d'organisation de la CAF a annoncé que le le, chanteur Aikon, sénégalais d'origine américaine, sera le maître de la cérémonie. Eh bien, pour rappel, sachez que le Niger ne fera pas partie de cette, euh, de, cette Coupe d'Afrique. Eh bien, chers auditeurs, vous serez nombreux à suivre euh, cette cérémonie à 20h, on l'espère. Le Niger c'est aussi les portraits des hommes et des femmes. Habiba, dis-nous qui est la personne du jour. Nous allons à la découverte de Chebu Souba ou Danfilengi, le charmeur de serpents, chasseur et fait aussi partie d'un groupe d'invulnérables. Yantori en Hausa ou Gardiz et Zarma. Mais en dehors de tout cela, il exerce aussi d'autres activités un peu plus ordinaires. Les portraits est signé Fantashamsu. kunduguru faɗa iblisa yaro bai gani ba balle shi raba yaro na haƙo da kai kana haƙo da uban shi in yayi gunguni kakan shi in yayi gunguni kakan shi kowa zaburo a bar shi ya faɗo kaga waɗanda ba su tsoron sababi kaga masu ganin kaddara su kare shi son pied droit tremble presque lorsque psalmodissime le kirari une façon de se flatter et de flatter son savoir-faire la chasse à la carrière bien baraquée, chahi Boussoba est en effet un chasseur traditionnel résident du quartier Kwarategi de Niamey. Plus connu sous le pseudonyme de Infilingé, sa ville natale, il est aussi charmeur des serpents et guérisseur traditionnel. Un savoir qu'il a hérité de son grand-père maternel et qui, dans sa famille, se transmet de génération en génération. a lokacin da na tashi tare da kakana ma'ana baban mata gaskiya tun ban san bambancin koyon dan adam da dabba ba nake cikin daji gaskiya a yanzu ma babbar sana'a ta ita ce halbi shiga daji gaskiya tun da nake maciji bai taba cizo na ya min illa ba amma ciwo maciji ai kullum ciki nake ko yanzu wanga da nake dauke da shi tana yiwa yanzu ban kai gida ba ya cije ni to lalle gaskiya fi lahi cikin eh, iyawa Allah maciji bai taba cizo na ba ji ko kaman cizon kyashi eh, ko kaman dai cizon kyashi gaskiya ban taba ji ba kuma idan inda maciji yake a yanzu gaskiya idan lunwashi na yana garan ina sa ran maciji ko yana tare da shaidani idan na shiga inda yake to zai hito ya nuna min kanshi ko ma ina ne daga wannan mu da shi za mu san mi za ma juna duk wanda zai raɓe ni ko irin ɓangaren wasa haka to ba zai yarda ya sa hannun shi cikin aljihuna ba saboda ya zan duk inda nake tahe ina dauke da maciji. Mutari, un de long date dia plus d'une fois bénéficier de ce service Mai gida ne wanda muna zuwa ma farauta a tare ne wanda kuma in kina magana sirrin da ya bani wasu abubuwa ba a faɗin su a bisa kafar radio. amma akwai kamar itatuwa irin sirri na itatuwa akwai wani zai ce min wannan ice kaza sunan shi kaza kuma ga abin da ake hada ya yi magani kaza to ta haka shi maganin maciji ba wai magani ne wanda ya dobo ya bani ba a cikin dajin ma in mun yana iya cimin wannan shine maganin maciji ga inda za ka yi shi Eh, a a exerce aussi d'autres métiers un peu plus ordinaires. Du haut de ses 40 années de vie, lorsqu'il n'a pas la tête enfouie dans la brousse ou dans un trou à serpent, il tient un atelier de réparation des téléphones portables au marché de son quartier. Mais encore, il contribue dans la sécurisation de son quartier à travers le groupe d'autodéfense Mbanga dont il fait partie. a nan cikin yamai sa'annan eh, ina ɗaya daga cikin shugabannin na comité de vigilance pour le développement local kwartaji ma'ana 'yan banga ni ne mataimakin shugaban 'yan banga kuma eh, wannan banga mu ne banga ta a nan cikin yamai a yanzu cikin matasa waɗanda muka ba da rayuwarmu tsakani da Allah. En compagnie du groupe d'invulnérables qu'il dirige, Shaibu organise des séances de démonstration de jeux de serpents un peu partout dans la capitale. Il est souvent sollicité pour prester lors des cérémonies de mariage ou des baptêmes. Par ailleurs, il aide à guérir les morsures des serpents et offre à ceux qui montrent le besoin des décoctions contre les venins. Chers auditeurs, nous allons boucler notre sélection musicale d'aujourd'hui avec les titres Wan Wan de l'artiste Barakina Lugut. On écoute. kashe budurwar ka ba in komi in kana jin wawan wawan sautin yayi masana sun ce sautin yayi sautin ya sautin yayi sautin ya sautin yayi sautin ya sautin yayi sautin yayi sautin yayi sautin yayi sai ina jin wawan wasa da kuɗi sai babana yana da mota da gida ba wasa ba amma ba ya sakin ya gwadi ba tsoro ba wasu rawan suke so wasu koki wasu rawan suke so wasu koki wasu dumin suke so wasu koki in muna shin kiɗin mu ba mu shin komi muna cikin wan wan wan ba mu shin komi amshe budurwar ka ba a yin komi in kana jin wan wan wan sautin yayi masana sun ce sautin yayi sautin yayi sautin yayi sautin yayi sautin yayi sautin yayi sautin yayi sautin yayi sautin yayi sautin yayi sai ina jin wan wan wan wan wan wan sautin yayi sautin yayi sautin yayi shi ka ji ai muke ba su da rasu kun ba mu kama da lasu da kashi kara masara ta gasu lokaci ya sana gane ta kansu manta da su da su rasu ai mun amshi duka da su tu me dois l'argent et puis c'est toi tu me donnes conseil comportement de grand c'est pour ceux qui en ont de l'oseille du lundi au lundi ça charbonne ça charbonne ça bibi ça bibi le samedi le dimanche me cherche pas me cherche pas je suis allé dans le bruit c'est le week-end j'ai caillou dans l'oreille Et même la nuit Mais donne plus conseil Reviens lundi Là je suis dans le bruit Et tes conseils Tu peux les mettre dans ton cul Je suis dans le bruit Oui je suis dans le bruit Je suis dans le bruit Oui je suis dans le bruit Je n'entends pas killer. I know, no know, I know, no know, I know, C'était le titre Wanwan de l'artiste Barakina Le Place au loti qui parle des avantages de la consultation prénatale. La consultation prénatale est importante pour la santé de la mère et de l'enfant à naître. C'est pourquoi les médecins recommandent aux femmes enceintes de fréquenter les centres de santé intégrés. Écoutons les discussions dans ce loti proposé par Mariam Adé et Samira Rouafi affairage, affairage, affairage, affairage. Bonjour Ramou. Wa salam Balki, comment tu vas Je vais bien et la famille. Tout le monde se porte à merveille. Les enfants sont partis en vacances chez leurs grands-parents et leur papa est parti au travail. C'est pourquoi la maison est si calme. Je comprends beaucoup, mais pourquoi tu es si sereine <laughs> ah bien sûr, il faut de temps à autre se reposer, ce qui n'est pas chose facile avec les enfants. Mais tu le sauras très bientôt. Comment ça se passe l'évolution de ta grossesse Dieu merci, ça avance bien. C'est juste que dernièrement, j'ai l'impression que mon bébé ne bouge pas assez. Comment ça Est-ce que c'est les médecins qui t'ont dit ça J'espère que tu es parti te faire consulter. Ah, mais c'est à toi que je m'adresse, non En fait, ce que... Je sais même pas comment te l'expliquer. Tu vas te décider à parler ou bien Je n'ai jamais été en consultation. Ah, tu peux répéter je crois que je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu me dis là Je n'ai fait aucune consultation. En somme, je n'ai jamais vu le docteur depuis que je suis enceinte. Non, tu dis ça pour me taquiner, j'espère. C'est la vérité, ma copine. Depuis que j'ai fait les tests de grossesse, je ne suis pas allée voir un médecin. Et je peux savoir quelle est la raison Parce que mon mari refuse que j'y aille. Non, je te crois pas. Pourquoi te mentir Au début, il disait qu'il ne voulait pas d'un gynécologue homme. Et lorsque j'ai pu trouver une femme, il a catégoriquement refusé. Je ne pense pas si toi et ton mari mesurent l'ampleur de votre acte. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux que suivre ses ordres. Donc tu vas suivre ses ordres, même si cela peut te mettre en danger et mettre en danger la vie de ton enfant. Comment ça mettre nos vies en danger Oui, comme tu l'as entendu, ne sais-tu pas que les consultations prénatales ont une importance capitale Explique-moi ma copine. C'est avec les consultations que l'on fait le suivi de l'évolution de ta grossesse, avec ces mêmes consultations, on suit l'évolution de ta santé et celle de ton enfant, sans oublier que c'est grâce à ces consultations qu'on arrive à prévenir les complications qui peuvent survenir lors de l'accouchement. Hi, tout ça, oui, les femmes enceintes doivent être régulièrement consultées afin d'éviter certaines complications telles que l'anémie, le paludisme et c'est grâce aux consultations que l'on prévient la transmission mère-enfant du VIH et beaucoup d'autres maladies. Et ces consultations se font souvent chaque mois ou bien chaque trois mois selon les médecins. Je comprends mieux ton inquiétude. Je me rends compte de notre erreur. Il ne suffit pas de comprendre, mais de réparer. Tu dois immédiatement te rendre en consultation. Même après ton accouchement, tu dois aller faire les consultations natal pour le bien-être du bébé. Même après l'accouchement Oui, il est très important de suivre l'enfant afin de respecter le carnet vaccinal et aussi suivre l'évolution de l'enfant afin de prévenir la malnutrition et plusieurs autres maladies infantiles. Merci pour ces éclaircissements, ma copine. Je m'en vais de pas convaincre mon mari de me laisser y aller. Je t'en prie, c'est la moindre des choses, ma chérie. c'était là les lotis du jour. Merci les filles pour vos conseils. Volet culture linguistique. Ce matin, nous serons en compagnie de Soumana Amadou. Bonjour Soumana, quoi de neuf pour nous Bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, on va parler de la libération des champs, car on est dans la période. Oui. Donc la libération des champs, c'est la période pendant laquelle les éleveurs ont libre accès aux résidus de culture. Et on entend par résidus la matière qui reste après la récolte ou la cueillette des produits de plus grande valeur. Cette libération des champs est parfois source de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Une ordonnance de 2010 relative au pastoralisme au Niger a institué un système officiel de fermeture et de libération des champs pour euh, favoriser l'intégration agriculture-élevage et prévenir les conflits. Malheureusement, des problèmes se posent régulièrement quant à sa mise en œuvre. Chaque gouverneur d'une région du Niger peut fixer la date de libération des champs de sa région après consultation des commissions foncières et en tenant compte de la situation. Avant cette date, les autorités tiennent à éviter la descente précoce des animaux dans les champs et le retard des récoltes et cueillettes des productions. Donc, euh, je m'en vais vous expliquer ça en full, full, full Libération des champs en full, full day, on peut le dire nyaingal. Nyaingal du wakati non mo duroɓe hetto wata watta dabbaji mum en dura der gese no e nokkuje ndemanoɗe he gam hedde kulle caggal hen ɓe otti kulle mumen fof ko heeɓi ele ndungu ngu enda eko remi ɗum ko ɓuuri darjude e mumen caggal majjum wakkati on konnano yawdi remoɓe duroɓe kaɓa ham reji ɗiɗi waddi ko duuɓinaɗiɗe sappo laawol laamu adama gam batte allah e moƴƴintinde fi durgol ndene nde kay du maɓɓitol e maɓɓol guese ngol endan taw heɓanama ñalade ɗum du gam batte allah e demal e durgol tokkodira fa woɗa gabbatte allah e du konda ni hisude yimɓe bolwol kañum e fitinaji ɗi kanon woni hono wattugol gollal majju fa ɗum gasa ɗum wonno heppore yimɓe hitande fuu ndenne du no tawa gouverneur région fuu mo leydi niger kañum woodi laawol resude ñalaande ñeygal wattu nder région muɗum kano kanko du kono seede ni o haaldi e himɓe hawjiɓe fii ko darto hono domol laddeji e jaye kasen du o dartino fa woɗa wakkati o enna no wontirde ñalande resete caggal mum ndu fa hande ñalande taƴade wiya nde woni ñaygal nde so yettaki hooreɓe darto durwa ko watta ko tawe dabbaji ɗi jippaki naati e guese law illu wakkati o yettaki wodi dukkondamɓe durwan remoɓe ndu haɓɓa niya suɓa hocca hetta keddi ko heeɓi ele hitande endam fuu Merci Soumana, la semaine prochaine. Chers auditeurs, auditrices, pour mieux vous servir, faites-nous parvenir vos réactions en composant les 82 89 à 89 à 64. Effectivement, nous allons écouter les messages des auditeurs qui nous parviennent des Gaïa et Filengue. aiwa ti abdullahi ibrahim aiwa missionaire no kan kanon go filinge aran wannan animation kai ga hangan gumdai ti tus ala fada ma animation no kan sansar ma kan ga bejin gumu gumu gumu si tous les weekend na bar go sa jam foyan kan kan ti ti sa en panuye sina kan ga te dole bora shiro mu haiwa kaina kiri wanki wanki ngwar dai kiri ba di ging to tangir se koi ne nang lo chum to tanga koi ne si vous pouvez on augmenter c'est 2 heures de temps voire 2 heures 30 on les week-ends au moins si on a ga ur se kaina et dans l'ensemble kay c'est une très belle émission ina yawan saurare ta lokaci zuwa lokaci do inda an kasa insha Allah muna yawan sauraren ta nan insha musamman ma nan muke fara mun muke zanni biske ga mun tarka insha Allah masha Allah to ita dai zamantakewa dai insha Allah ko a addinance dai ta shar'anta ga komai abinda dai muke fata dai ga 'yan uwa musulmi su zan a haɗa kanu duk inda ga haɗin kai insha Allahu komi bai buwaya duk abin an ka tashi inda na haɗin kai na zai bambanta da wanda an ka rarrabe zai zama haɗe da wanda an ka rarrabe Allah ubangi abin ku fata dai mu ya ba haɗin kai kuma ya sa yan uwa su so juna Allah haɗa kawunan su kuma fata farko dai insha allahu ina tare da Hamza Ahmadu shugaban Kulub gawa zaki na gaida shi ina gaida Sha'ibu mai kani sai ya gawo inage da sule mekanise gawo ina gaida atta musa da kuma sauran waɗanda ban samu gaisa ba amin yana da ɗaukar lokaci Allah ya tabbatar da alheri ina gaida kowa da kowa salamu alaikum si c'est Cambiano Emmanuel et dans la région de Tilingue. vraiment ici l'actualité du studio Kalangu elle est trop intéressée elle est trop écoutée par en tout cas beaucoup de surtout particulièrement moi j'écoute euh, beaucoup de studio Kalangu et surtout les émissions qui se passent tous les week-ends, les samedis, dimanches, et c'est trop écouté. vraiment, les gens écoutent beaucoup et la, radio Studio Kalangu. Donc vraiment c'est très très intéressant et j'encourage beaucoup et avec Studio Kalangu, beaucoup de gens se retrouvent ici avec les émissions qui sont trop, trop intéressantes. Je voulais encore me pencher beaucoup sur l'actualité des jeunes, surtout les week-ends que ça se passe. C'est une émission qui très écoutée par beaucoup de jeunes et ici euh, dans la région de Filingue. Donc vraiment, c'est très intéressant si on pouvait en tout cas renouveler encore plus d'efforts et apporter beaucoup d'options sur ça et permettre à ce que les jeunes puissent écouter surtout cette partie. Amis auditeurs, nous voilà à la fin de cette émission. Vous étiez en compagnie de Habib Ahmed et moi-même à Mariam Adé. Rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle présentation. La technique était assurée par Mustapha Ayouba et à l'édition, c'était Adama Dawaki et son stagiaire Khadija. Bonne suite de la journée à tous.